à base de, de, de quelques engagements, c'est-à-dire bonne gouvernance, oui, éducation, santé, emploi des jeunes, ay, euh, respect des femmes, respect des droits des femmes, etc. etc. buñ la falee nag ci base boobu Waro fàtte ni ci base boobu lañ la fale da nga war a doxal rek ba pare fexe bañ a waroog li tax ñu fal mhm. il nous faut des institutions yi nga xamante dafay dafay am doole il faut que nit ñi mën di différencier seen bopp ak li nga xamantene mom lañ leen dénk tant que amuñu attitude boobu loolu moom mooy une attitude républicaine loolu moom mooy une attitude responsable moom mooy une attitude bi nga xamante ne garantir jàmm ci réew mi moom garantir équité ci réew mi moom garantir effectivement une bonne redistribution des ressources moom mooy garantir l'emploi des jeunes moom garantir nous moom est effectivement cette confiance qui est rompue parce que tant que cela tant que nous à rétablir cette confiance là on ne sera jamais on toujours les tensions vont prendre de l'ampleur Tes générations, vous nekk aussi ak ni interpréter tension aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui sont manipulés à travers les à travers les réseaux sociaux. C'est vrai. parce qu'effectivement, effectivement avons nañ ni internet par exemple ay image a daaw. ñu mhm. indi ci ñu pour pour nit ñi ni que violence yi la demee alors que effectivement alors que même si vous da ngay xol manifestation mhm. euh, il y a des nervis qui sont qui sont là dans les manifs. ils sont vus ils sont connus et ils sont vus. Mhm. pourquoi on ne les arrête pas. pourquoi on ne va pas les chercher pour les foutre en prison. c'est vrai. Parce que c'est des perturbateurs de la paix sociale. Parce que c'est des gens qui sont payés hmm, par des militants d'un parti politique qui est là, apparemment du pouvoir, parce qu'un nervi, sa signification, c'est simple. Hmm. Nervi pouvoir, les moi Moi, effectivement finalement est-ce que notre appellation yi rek Si euh, voilà s'il est du côté du pouvoir on appelle nervi. Vous n'êtes opposition euh, garde du corps. un nervi. <laughs> Uh-huh. c'est quelqu'un qui est payé opposant non non je veux dire un nervi c'est quelqu'un et généralement quand ils gagnent les nervis hmm. ñu ngi quand l'opposition décide de faire une manifestation. Mhm. Est-ce que tu as une fois vu que le parti au pouvoir organise une manifestation l'opposition fait un nervi pour nervi TASCO tas c'est le contraire qui se passe moo effectivement signification Nervi donne l'olou, c'est quelqu'un qui a pour rôle de servir le pouvoir d'accord de qui est prêt à à qui est prêt à s'attaquer à d'autres citoyens mm-hmm. euh, ci kaw effectivement il ne le fait pas sur la base d'un militantisme mm-hmm. il le fait sur la base effectivement euh, sur la base effectivement c'est une prestation de service qu'il effectue c'est un c'est un agent de la violence un nervi Mm-hmm. Un nervi, c'est quelqu'un, c'est un producteur de violence. C'est vrai. C'est-à-dire, defkatu fitna. C'est vrai. Nous, nous dans une république, le chef de la gendarmerie les chefs de la police dañ pour effectivement éliminer parce qu'ils sont nocifs à la société et ils ne sont pas bien pour pour l'animation de la démocratie mm-hmm. Benen affaire bi moi, dañu nekk une situation également à xamantene euh, le pouvoir euh, les dispositifs yi pour effectivement les les manifestants c'est des dispositifs très très très très très très lourds par exemple bo xolé mais mais mais mais est-ce que c'est lourd Malar. Ah, mais mais ce qui se passe ce qui se passe c'est quoi. Mm-hmm. c'est euh, c'est des gens qui sont frappés n'importe comment alors qu'en fait on peut on peut les dissuader a na affaire qui est très boo Il euh, gars yi yenn lacrymogène ici, qui est yi lañ mais on a vu aussi il y a des manifestations. les enfants tout le monde ils ont du gaz. et puis l'affaire, affaire c'est affaire devenu devenu du pêle-mêle c'est devenu de c'est devenu du n'importe quoi. Mm-hmm. il faut que l'État prenne ses responsabilités en assurant la sécurité de tous les citoyens, de ceux qui sont avec, de ceux qui sont avec le, parti au pouvoir mhm. et de ceux qui sont avec les autres. Il faut qu'effectivement nous encadrer, parce que c'est possible d'encadrer. Mhm. Le nombre d'hommes qu'on déploie sur le terrain, mhm. le nombre de chars qu'on déploie, le nombre de tels, de tels, de tels, le nombre d'argent qu'on met pour, pour mobiliser des nervis, pour les mettre contre leurs frères sénégalais. Djadoul, et si ñu après tension yi dina dem ba dépasser de simples tensions politiques. Mhm. parce que nit ni dañ koy wutal yeneen prétexte après parce que les les tensions elles mutent. finalement tension mën na jóge. yéen mhm. mun ngeen yéen

parce que nous, ici au Sénégal dañu tam, taamu dund ci salam. ak tension boobu est-ce que nous ba pareil? bu ñu une euh, hmm? un ministre de la République. Euh, surtout le, le ministre de la jeunesse. Oui. bu am cadre yi nga xam ne ko yëkkati ci kaw Ousmane Sonko ak it fanem finalement cette notion de république. un ministre qui dit ça on doit le démettre. c'est vrai. parce qu'il a oublié qu'il est ministre. Mhm. un ministre qui oublie qu'il est un ministre même bu dul ministre. Mm -hmm. c'est-à-dire respecter sa titre bi la fonction, tu es ministre. Mhm. Quelqu'un qui n'a qui pas, qui pas la capacité de prendre la mesure de sa fonction, c'est quelqu'un qu'il faut mettre de côté. C'est mhm. quelqu'un qu'il faut démettre parce que c'est un danger pour la République, c'est un perturbateur de la paix sociale. Mhm. même yow nga wax lu ko gën alors que yow république lañ la peut-être c'est le populisme qui paie maintenant. oui euh, mais je veux dire mais populisme c'est un L'État tax nit ñi populiste c'est parce que nit ñi des arguments à la place. Mhm. le populisme c'est pour les faibles. Mhm. le populisme c'est pour les ignorants. Mhm. Le populisme, en réalité, c'est pour les imbéciles. Il n'y a que les imbéciles qui procèdent par, qui, qui sont dans le populisme. Parce que populisme, day comme ça. Parce que yow li ngay wax que populisme que tu mais tu le dis parce que a Mhm. populisme mandargay naa fekk la. finalement on le retrouve si discours yi politiciens yëpp. mu nekk opposition ak pouvoir yëpp fu ñu ko munti retrouver mhm. lu warul la ci espace public parce que on a assez de choses à discuter. Mhm. mën nañu waxtaanee yokkum ceeb bi mën nañoo waxtaanee wàññi lois bi. ndax dinañ ko respecter ndax bailleurs yi dinañ ko respecter ou pas mën nañ waxtaanee. ëllëgu réew mi mën nañ waxtaanee gaz bi ak pétrole bi mais Malal euh, je vous aime bien vous les activistes surtout euh, yéen fait aussi le mouvement en a marre mais est-ce qu'il y a une par si part de responsabilité. mais on dirait qu'il y a un am euh, complexe. ñi nga opposition opposition parce qu'à chaque fois dañuy dit opposants yi ñenn di dérives mais à chaque fois s'il faut sonner la eh, fin de la récréation. vous vous adressez directement au président de la République Macky tu peux me donner parce que moi je veux qu'on discute sur la base d'exemples et de modèles. une émission. <laughs> c'est vrai. <laughs> xam nga amoon nañ fi émission ma ne la jox ma modèle. mais bëri na malal boo jox exemple ne me pose pas de question. malal bëri na à chaque fois dañuy gis sa ñebe euh, mais attends. par exemple par exemple ku mel ni comme Ousmane Sonko euh, bëgg nañ ko lool ñu ngi koy souhaiter aussi. Euh, meilleure santé. mais à chaque fois mu yëkkati fi discours boo xam ne boo xam ne dafay nudu kuy faire appel à la rébellion mais dañuy gis ne un certain malal du ci wax. mais dama ne la moi pour le troisième mandat du président Macky Sall man je ne suis pas contre un opposant qui appelle à la résistance la résistance ne veut pas forcément dire la violence hein la résistance ce n'est pas forcément la résistance mais le mot gatsa gatsa on va oui mais gatsa gatsa moi, œil pour œil dent pour dent moi je ci dem loo finalement il se retrouve à l'hôpital mais il se retrouve à l'hôpital parce que oui, il a peut-être inhalé euh, comme comme l'ignoir, mais on attend les résultats. On attend les résultats. Mais waruñu yegg foofu Ousmane Sonko. il mhm. ko lui une sécurité. L'État mhm. doit ko la sécurité mhm. parce que je vais te poser une question. vais te poser une question. Oui, d'accord mais Ousmane Sonko y a yàlla bu mu am. ci situation yi mais bu vous fuñ fu est jëm essayons imaginer situation nous sommes rek ñu yew rek nañu Ousmane ko non non non non mais cette situation yi ñu yew rek quelqu'un qui écrit sur sa page Facebook depuis que les forces de l'ordre m'ont déposé à la maison. Hmm? Mm-hmm. Depuis que les forces de sécurité m'ont déposé à la maison. Mm-hmm j'ai des problèmes, j'ai des vertiges, j'ai des problèmes respiratoires, j'ai mal au ventre. Il y a une ambulance qui est là pour m'amener sous à, à, la Assistance. Il refuse, euh, il, y a, une ambulance qui doit venir euh, me, consulter. Mm-hmm. Il lui refuse l'accès mais mais mais mais bu ñu aussi euh, si image yi nga xamné ne mooy Ousmane Sonko il est là il est entre mais mais mais man gentleman laa gis mu guen ki dro ko febar de est-ce qu'il n'est pas aussi dans la manipulation. on est en politique ah, hein? ah non ah non non gëmuma loolu xam nga lu ñu mun lu mëna japp parce que fin bi. Ah. dem na hôpital. dem na hôpital mais batay ken kenn gisu mais aussi non ñun am nañu ay cédé man mm. am naa ay cédé Alioune Sané bu yaanaa mar ak chat mais Aliou Sané bu Y'en a marre ak est-ce que nous ils ont vu. Euh, euh, nee nañu dafa feebar nee nañu ñoom nee nañ nit ki ñu gis il est atteint mais mu ngi mungi mu ngi

partie du site internet est-ce que vous a aussi benn sentiment de révolte bu ñu ramenez aussi jeunes yi fi ñu Ousmane Sonko aussi. Oui, non en fait. Euh, parce que tu gis dit ne yéen waa Y'en a def conférence de presse L'état conférence de presse yu Y'en a bi am solo Moi, conférence de presse le boo xamante ne dafa ne ah. Ousmane Sonko am ay ak ay ko respecté. Mhm. du yone que ñu assigné ko en résidence mhm. ni président Macky Sall di ay mhm. Ousmane Sonko effectivement. a ay il à chaque fois bu waré yëngu ñu ko jaar ngay là on est d'accord. on ne doit pas lui restreindre sa liberté. On lolu déjà lu am solo la. ci benen mbir mi aussi Y en a